chers auditeurs, amis jeunes, bienvenue dans Tous à la Fada, l'émission dédiée à la jeunesse que vous prépare chaque week-end le studio Kalangu. Eh bien, j'espère que vous êtes bien installés, confortablement. Préparez-vous à replonger dans les souvenirs les plus mémorables de ces moments chaleureux et inoubliables que sont les grandes vacances. Que la magie des vacances opère à travers nos ondes pour un voyage plein d'émotions et de souvenirs mémorables. Prêts à revivre ces instants magiques ensemble, alors c'est parti pour un moment de détente et de douce nostalgie des périodes des grandes vacances dans tout ça la fada. Beaucoup se rappellent encore comment ils attendaient impatiemment les vacances pour soit voyager ou quitter tout simplement la maison pour un temps. Eh bien, ce soir, euh, on en parle avec nos invités. Nous avons donc pour thème la vie en famille d'accueil pour les vacances, quel avantage pour les jeunes. Aujourd'hui, euh, la FADA s'est installée sous l'arbre à quelques mètres dans l'écho du studio Kolangu. Pour en parler ce soir, nous recevons le jeune de Soumeila, il est élève et précisément en vacances. Nous avons aussi à côté Idrissa Tambari, il est sociologue de formation. Et nous avons aussi juste à côté Maria Mawatara, elle est mère de famille et réalisatrice de profession. Bonsoir à tous et bienvenue à la FADA. Je suis Samira Wafi pour la présentation et la technique, c'est Kader Chambiano. La FADA, comme vous le savez, c'est accompagné d'une rubrique rose de la musique et une chronique, tout ceci en 5 minutes chrono top, c'est parti. To abokai matasa masu sauraron mu a yau a cikin fadar tamu da ta yada zango a nan dab da studio Kalangu za mu tattauna ne akan lokacin hutu na makaranta eh, wato mai tsawon lokaci kenan wanda kowace shekara ana samun shi tsawon wata uku. Matasa na mutsuwa lokacin hutu ya yi don su samu su yi ziyara 'yan uwansu don shakatawa wasu suna zuwa cikin jihohi wasu suna zuwa ƙauyuka wasu suna zaman su a nan babban birnin Yamai amma a wata anguwa daban. C'est pourquoi, euh, dans cette première partie, nous allons partager ensemble nos plus beaux souvenirs des grandes vacances. Je commence euh, avec toi. Abdul Rachid, je commence avec toi. Est-ce que euh, tu es, où est-ce que tu aimes passer tes temps de vacances d'habitude eh, Merci pour cette occasion que vous m'offrez afin que je puisse m'exprimer dans cette merveilleuse émission. En tant qu'élève, j'aimerais passer mes vacances en tout cas hors de Niamey parce que tout le temps je suis dans Niamey donc j'aimerais faire des nouvelles découvertes que ce soit à Tawa ou à Maradi. En tout cas, c'est mes deux régions préférées. maintenant, c'est les grandes vacances qui s'annoncent comme ça. Est-ce que euh, tu as des projets Oui, j'ai des projets. Après neuf mois, j'aimerais d'abord me reposer. J'aimerais également me divertir. Me divertir parce que, parce que passer neuf mois d'études, ça demande du divertissement. Enfin, j'aimerais faire des découvertes. J'aimerais changer de milieu, découvrir ce qu'il y a au niveau des autres horizons. J'aspire à tout cela. Super, euh, je reviens vers vous, Monsieur Tambari Idrissa. Je rappelle que vous êtes sociologue de formation. <laughs> lofet ke matasa suna barin gidajensu suna zuwa ko gidan wani aboki da aka saba da shi ona kreye da liyan familiyo ko ko gidan ma wani kanan uwa ko na uba wani irin amfani zai yi a cikin rayuwarsu to mira na gode da wannan hanya da kunka ba mu yau za mu tattauna biskan harka zancen hutu da ake badawa na yara duka shekara elef don wannan tambaya da kinka bisa wannan gaskiya akwai falala da yawa biskan ka bar yaronka ya je vacans ko hutu wani gari ko wani ƙasa wajen wani dan uwarka ko wani aminin ka wanda kun ka zamna tare wanda kuke ji ma juna basko shi yaro in ka ji yaro ya bude baki ya ce yana son in je gidan tonton wane in yi vacans sai ki bai duke shi yaron nan ya ga abun da yake so can kuma wannan abun shine zai sa mishi ya samu ya huta ya ji daɗi bisa kan harkar yanayin kwakwalwar shi don saboda ya yi karatu wajen wata tara kenan yanzu lokaci ne na hutu wanda ya kamata a ba yaro hanya na ya je ya huta ya samu ya yi shanjen duka son esprit bisa kan harka duka wannan stress da ya ɗauka bisa kan wata tara kenan abu ne wanda yana da mahimmanci kwarai yana ƙara kuma zumunta a tsakanin mutane tunda yau lefet ke ɗanka ya saba akwai wa'anda yaran da in sun saba da zuwa vakansa wani gida sai ki ga wata ma in sun tashi sai ai dibin kamar 'yan gidan ne ba za a iya ganewa ba don saboda inda sun kaje in an karɓe su da hannu biyu yaran za su samu su yi a su yi development competence su kuma ba su samun wannan abun da zai sa su su kwakwalwa su zama danzan karkan wanda zai hana musu liberté in su faɗi abun da suke so koko suke da muradin shi tunda wataran gidan kuma ka yi samun matsi wataran biskan wani gidan da za ka je kansu. a to za mu dawo ta bangaren malama maryama vous êtes mère de famille to on va plus s'appuyer sur ça to ina so in sani shin kun saba tura ba kansu merci. Euh, je remercie le studio Kalangu de m'avoir invité aujourd'hui à la FADA. Euh, en tant que mère d'abord, moi je, je, propose toujours euh, d'envoyer les enfants surtout en campagne. Pourquoi Parce qu'il faut apprendre à l'enfant qu'il ne s'agit pas seulement, la vie ne s'arrête pas seulement à Niamey où il y a la lumière, il y l'eau potable, et y la bonne bouffe. Non, il faut que l'enfant voyage pour aller découvrir qu'il y a un autre monde en campagne, il va aller s'instruire, apprendre et découvrir et se distraire aussi. C'est vraiment, ça fait vraiment du bien euh, de changer, comme l'a dit mes autres. Euh, l'enfant doit changer de cadre, au fait à la maison pendant neuf mois, pendant les vacances, même s'il ne quitte pas, euh, même si c'est dans la même ville, comme l'a dit le, le, sociologue, il peut aller chez l'ami de papa, l'ami de maman, chez un oncle, pour changer en fait le cadre. Il se peut que même l'éducation n'est pas la même. L'éducation que tu reçois chez tes parents, peut-être chez l'autre, ce n'est pas la même chose. Et là-bas, il se peut qu'il apprenne des choses aussi. Et c'est un plus. Quand l'enfant revient de vacances, tu constates automatiquement un changement. Des choses qu'il va aller découvrir, qu'il va aller apprendre. Et je pense que vraiment, ça fait du bien pour, pour l'enfant de, de, Donc, si je comprends, vous, vous préférez envoyer les enfants en campagne Moi, je préfère. Pour qu'ils puissent euh, un peu changer. Un peu changer. Comprendre qu'il y a une autre vie vraiment en dehors de la vie. À part cela, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui vous pousseraient ou bien qui vous poussent à envoyer vos enfants en vacances Bien sûr, renforcer les liens. Vous mhm. savez, les, les gens du village aiment recevoir euh, si vous partez au village, on va faire le tour du village pour aller montrer l'enfant de Intel est venu de la ville. Ça donne envie de Ça revenir. donne envie de <laughs> revenir. Et l'enfant est chouchouté, vous voyez. Mhm, mhm. Ça fait du bien. So, en tant que mère, à Masayunku, uh-huh, uh-huh. et comment gérez-vous le fait de laisser partir votre enfant en vacances durant un temps, un mois, deux ou trois mois, sans être en contact permanent avec lui Qu'est-ce que ça vous fait En fait, moi, je ni abanda niki kullu ni niki abanga. Il faut que à kasa vacances kin tsawon wata uku ne. Ana iya a kasa shi. Ka ba lokacin da zai huta tukuna, lokacin da zai tai kauye, da lokacin da kuma zai iya bulaguro in ma yana iya huta, ya huta je kasashen waje ana iya village vous allez voir beaucoup de gens qui partent au village et qui piquent des crises d'hystérie parce qu'ils ne connaissent pas le village ils ne peuvent pas boire l'eau vous allez voir la partie la personne va aller en vacances il va emporter son eau et ça frustre le, le oui il va prendre son eau pour amener et celui qui est là le villageois ça le frustre si tu veux être à l'aise avec lui, s'il boit l'eau sale, bois l'eau sale avec lui. S'il mange euh, la bouffe qui n'est pas bonne, mange avec lui. Vous allez voir des gens qui vont emporter leur nourriture. Non, il faut aller boire l'eau sale là avec eux. Mais il faut diviser à casa vacances kin kashi uku ko ça dépend da zaka tsara emploi du temps ɗinka. Ka kai yaron kai dan kwanaki nan me kuma a bashi lokacin hutu gaskiya. après neuf mois yayi karatu ya kuma kahin a tuttura shi a bar shi dan gida tukuna dan huta. Moi c'est ce que je fais. Je reste d'abord avec vous un peu on reste ensemble, on, passe du temps ensemble et après vous voyagez. Et moi, même, ça je ne le cache pas, tu as envie de te reposer sincèrement. <laughs> ça fait aussi du bien. Ça fait du bien, tu ne vas pas crier. avant de les récupérer. Tu, tu reprends des forces avant de récupérer, commencer à crier. Ça fait du bien, sincèrement. fada studio Kalangu Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles. Une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne. Des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. C'est la saison des pluies et nous allons continuer avec notre série rubrique rose spéciale ensemble. Après une bonne pluie ici au Niger, on aime bien cette belle odeur de fumée parfumée qui se dégage de nos maisons. Mais personne n'aime quand cette fumée est agressive ou quand elle attaque nos narines, nos gorges ou même lorsqu'elle remonte à la tête, on est bien d'accord. On accuse parfois à tort l'encens utilisé, alors que le souci se trouve au niveau de l'usage qu'on en fait. Mhm. Il y a plusieurs façons d'encenser sa maison. L'objectif, c'est moins de fumée et plus de bonne odeur. Astuce numéro 1, la façon traditionnelle avec euh, du charbon de bois. Mettre directement l'encens sur de la braise vive, c'est un vrai faux pas. L'encens pourrait se consumer rapidement et vous laisser avec une odeur de sauce cramée. Pour éviter cela, vous pouvez tamiser de la cendre dans un grand encensoir, faire un petit trou, ajouter de la braise vive, la recouvrir finement avec de la cendre. Laissez-la chauffer juste quelques minutes avant de déposer vos petits morceaux d'encens. Et sentez-moi cette belle odeur douce qui va commencer à se dégager. En réalité, la cendre vous aide aussi à conserver de la braise toute la journée. Et comme cela, vous pouvez l'utiliser autant que vous le souhaitez. Astuce numéro 2, l'usage du charbon magique. Le charbon magique facilite beaucoup la vie des amateurs d'encens. L'avantage, c'est qu'il s'allume très facilement. Pour certains, bien sûr. Il y en a qui sont moins faciles à allumer, je vous l'accorde. Dans ces cas, déposez-le sur votre gazinière allumée juste pendant quelques minutes et c'est fait. L'astuce avec euh, le charbon magique, c'est de le laisser s'allumer complètement jusqu'à ce qu'il soit recouvert d'une fine couche descendre avant de rajouter l'encens. Et comme cela, il y aura moins de fumée et beaucoup plus de senteur. Astuce numéro 3, c'est l'encensoir électrique. Un accessoire assez pratique aussi pour les amateurs d'encens. Vous pouvez même l'emporter au cours de vos voyages ou l'utiliser dans vos voitures. Il ne salit pas l'endroit et il est très pratique. En fait, tant que le courant passe, vous pouvez l'utiliser partout et à n'importe quel moment. Perso, je le classerai à la tête de la liste. L'idéal pour l'encens, c'est moins de fumée, plus de bonne odeur. Arrêtez donc d'étouffer vos maisons avec de la fumée à ne point respirer. Voilà, c'est tout pour la rubrique rosa de ce soir. Merci de l'avoir suivi. On se dit à bientôt pour d'autres bons plans et beaucoup plus d'astuces. connaît toutes tes souffrances. comment pas encore venu, encore venu. Un jour pour moi va sortir. Ma part n'est pas encore venue, encore venue. Un jour pour moi va sortir. Oh, il va donner pour moi. Oh, oh il va donner pour moi. il va donner pour moi. Oh, il va donner pour moi. Oh, il va donner pour moi. Oh, il va donner. Oh, oh, il va donner pour moi. Avance et confiance. Car si tu demandes, alors lui là, il te lance. Même quand tu penses que la vie n'a plus de sens. Façon, il lève, te soulève à toute puissance. devant. Et si y Dieu Dieu dedans, crois-moi, tu seras devant. Amis jeunes, amis de la FADA, c'était la rubrique rose du studio Kelangu. Nous allons continuer notre émission Tous à la FADA qui s'est installée tout juste à côté des locaux du studio Kelengu. Et pour ceux et celles qui viennent de nous prendre en cours, nous parlons de la vie en famille d'accueil pour les vacances. Quel avantage, Wato? wani unhaniya akwai cikin fait mutane suna barin suna zuwa Yaran masu iyaye suna hutu. Zan ci gaba tare euh, tambari. yanzu kahin mu ta hutu mari ta kazancen lailiyan konkarai kuma da wasu da talmanki ba su saba su bar zone de confort in su ba su ta kauye abun na kawo impact a cikin v in su kenan yanzu an hita yarinta an hita raka vacancy aiki ya kai mu to ku a ganin ku wani impact in nan kaza ke ya kamata il faut que vous nous dites là l'importance du fait de changer de zone de confort saboda a kiyaye irin wannan da ta gayi le fait que a ta kuma a gaza aiki et eh, tout, wannan abu wanda il faut d'abord étudier euh, étudier un contexte avant que duka wannan abu yake tunda il faut savoir que le changement brusque peut apporter des, des, des, des, des anomalies ou bien comment on peut l'appeler le, manque de confort chez, chez l'enfant quand il quitte euh, sa famille vers euh, Eh, un endroit où il n'a pas vraiment l'habitude mais wannan abin da yake iya e faruwa gare shi le confort in menene il faut d'abord analyser l'enfant pour comprendre son comportement pour comprendre ne ya hiso tunda wataran akwai famin da in za a tura yara sai in uwace suke tahiya da ita koko baban sai ya je tare da su ƙauyen don saboda su yi dan familiarize sati guda da 'yan mutanen na ƙauyen sannan shi kuma espas in na da ya ɗauka na yaron da yake laƙe mishi yalla yaron ya samu wani wanda yake laƙe ma can kuma wani kakan shi ko wani onkulin shi ko wani nashi sannan shi kuma mamman ko baban sai su dawo gida sai su baro shi ta mai amma in an ka ɗauka direct ma an ka kai shi safi abuwar an eh, impact sur lui kuma abun ba zai jin daɗin zama can ba sai ma yi ta musu rigima ko kuka ko wani damuwa wanda zai sa wataran sai kiga shine sai an maido yaro vacance wataran il faut savoir que abin da yaro yake so shi zaka dibe mhm. donc akwai wasu yaran daga tashin su ma kai da kanka ne za su damuwa baba a kai ni wurin papiya baba a kai ni wurin mami mhm. donc euh, wannan shi kamar deja sun gwadi attirance insu affection insu biskan gare su mhm. donc in ka yi shi cela veut dire que directement ko ka kai su suna iya zamna mai mhm. in ba su samu attirance wannan affection ba kenan dole kai sai ka je tare da su ko ko mamman ta je tare da su le temps que su samu affection in nan can da wani wanda za su sabawa da shi kamin a baro su pour que gayya zama musu kuma daga neman hutun abun ya zama <laughs> matsala kan gare su gaskiya wannan Allah ya kiyaye zan dawo ta bangaren ka Abdulrashid Thomas Madala, je voudrais savoir, y a-t-il des choses que tu as appris en allant en vacances Une belle transition pour entrer dans la partie découverte et apprentissage. Oui, pendant mes vacances passées, au-delà de la maison, j'ai fait un certain nombre de découvertes. Ce que j'ai appris là-bas, je ne le vis pas en fait à la maison. À la maison, on se parle en allemand. Quand j'étais à Ottawa, c'est rarement je vois les gens parler les allemands J'ai créé les conditions, en tout cas pour capter un certain nombre de mots, d'expressions. En tout cas, lorsqu'on s'est réunit en famille, j'ai créé les conditions pour que je parle les Hausa avec eux aussi. Je m'efforce, malgré que jusque-là, je n'ai pas parvenu, <laughs> mais les vacances que j'entamerai, Inch'Allah, dans quelques jours, je m'efforcerai à apprendre quelque chose. Donc, il y a la langue qui j'ai commencé à apprendre. Il y a également la lecture. Quand je suis à la maison, j'ai pas le temps pour lire. Il y a la diversion en fait. Une fois aux vacances, je lis. Super, je continue avec vous, Madame Mariama. En quoi pensez-vous que les vacances peuvent être bénéfiques pour le développement de votre enfant En fait, ça permet à l'enfant vraiment de changer de vie, changer le, avoir un peu de, de l'expérience. Il, va, il peut aller même en vacances pour se reposer. Oui, ça peut être aussi un cadre de repos. Il peut apprendre surtout beaucoup de choses. Parce que si je ne me trompe pas, je pense qu'à la rentrée des classes, le premier thème de, rédaction, si je me rappelle, c'est toujours sur raconter ce que vous avez fait pendant les vacances. Et vous allez voir, celui qui est parti en vacances, quand il rédige sa rédaction, c'est différent de celui qui n'a pas voyagé. Quand tu parles en voyage, tu as toujours quelque chose à dire. Même si c'est dans la même ville, même si c'est de quitter un quartier pour aller dans un autre quartier, c'est déjà une expérience. Et vous allez voir, à partir de là même, ça aide l'enfant. Que c'est lui qui n'est pas parti en vacances, il doit creuser, réfléchir, créer. Inventer. Inventer <laughs> quelque chose peut-être qui ne colle même pas. Mais quand il voyage, même s'il invente, ça, va toujours avoir un sens, je pense. Et même à partir de là, c'est bien d'envoyer cet enfant-là pour aller passer les vacances même si c'est même si c'est quitter cette maison là aller dans l'autre maison en face je pense que c'est c'est changer c'est lui il, se sent en vacances quoi mhm, mhm. tu lui demandes oui je suis en vacances je vais aller chez il est même pressé quand tu lui dis pendant les vacances tu vas aller chez il est pressé lui-même qui va t'embêter il est pressé mhm, comme l'a dit le sociologue surtout si là où il parle, il y a une attirance il y a quelque chose qui l'attire peut-être il y a il a des amis du même âge ou bien là-bas il a une certaine liberté. Oui, il y a ça aussi. Tu vas voir, je vais aller chez tonton parce que chez là-bas tu sors à l'heure que tu veux, <laughs> tu, rentres à l'heure que tu veux. Tu vas parmi tous les oncles là, il va choisir d'aller là où il se sent libre, mhm. là où il se sent épanoui. Vraiment, ça fait du bien, je vous dis, d'envoyer vraiment les enfants en, vacances. Donc, euh, je peux en conclure que vraiment, même cette année, vous êtes prête à les envoyer. Je suis prête. <laughs> je suis d'ailleurs pressée. Même ceux qui sont en classe d'examen, d'ailleurs que je souhaite une très bonne chance pour mhm. eux de finir et vraiment de voyager de voyager, d'aller découvrir et sincèrement ça fait ça fait du bien. Maintenant avec les téléphones, mhm. on reste en contact. a nan za mu dan dasa aya saboda mu je mu dan huta da wani dan faifai kafin mu dawo dan ci gaba da wannan shirin namu. tu le vois, mon ami, comme tu le vois, mon ami. Des innocents, embrasse la haine, embrasse la guerre, embrasse la faim. Les véritables commanditaires de la chose, ceux qui commandent la bombe, ne peuvent même pas entendre le sifflement du seul balai pour ça. Afin qui comptent ta vie, rien ne compte, moi. Il m'a haine, il m'a haine, il m'a de il

Est-ce que vous pensez que euh, le fait d'aller en vacances rend certains jeunes plus matures et plus faciles à gérer quand ils reviennent Moi, j'ai commencé à voyager seule, si je peux l'appeler, parce que on était trois frères. La plus grande n'avait que 15-16 ans. Moi, j'avais que 11-12 ans quand on a commencé à voyager sans une grande personne avec nous. On quitte Arlit pour venir ici. Vous voyez la distance où il faut faire deux, trois jours sur la route. et on est seul, il n'y a pas une grande personne avec nous. Mm. Ça, c'est une expérience. Mm-hmm. Ça, c'est une expérience de laisser l'enfant peut-être voyager. Mm-hmm. To za kara ci gaba da kushin ko uh-huh. akwai wani sako da kuke so ku baiwa iyaye na yanzu na wannan zamanin tunda ba daidai suke da ba da sai ma kauta ba san inda kai ba sai ka tai ka dawo yanzu ya turo da shirven sai tushin ko akwai wani sako da kuke son ku ba su na bisa kan su rinka barin 'ya'yansu suna dan lallekawa saboda ma a sada zumunci eto. Eh to kamar da kika haɗi da da yanzu ba ɗaya ba ne gaskiya da a vakansu ma muka je mu muna wasan gada wasan dare muna yin shi da dare za a huta a yi wasa a huto hili kamar yadda muke zamna nan wurin a taru yan yare yare warin ko kamar zango zango ake kowane da class dash shi in gane babban wuri ne ake samu mu duk sun san inda muka tai ko inda muka zo vacances duk sun san inda muka tai suna barin mu mu tai saboda ana jin hayaniyan mu sai toujours a côté de la maison suna jin mu muna wasa sai mun ji gari yayi shiru sannan sai mu ce dare yayi babu wani portable babu wani da zaka diba kai da an ga gari yayi shiru sai a ce tele tarihi kawai dare yayi kowa ya tai gida yanzu hadari ne ka bar diyarka ko danka ko namiji ne ya huta har baka san wace ƙarba ya dawo wallahi hadari ne paske yanzu komi ya sake komi ya lalace shi yasa ne wata rana wasu kuke gani ba su barin ɗiyansu su tai ko ina paske kai kana zamna da ɗanka kana kula da shi kana kana kanalizan shi ka bar shi tai vakansu baka san baccan in ya je mi za yi mi zai ɗauko kun gane da yawa mun gansu da suka tai daga sunan bakansu Allah ya kiyaye sun lalace sun dawo da sunan wai an tai hutu ka ɗauki ɗanka ka kai shi ko gidan ɗan uwanka ko gidan abokinka baka san ba shi can wurin wani irin tarbiyya ne yake ba ɗan shi baka san ba in ya je can da wa zai gamu paske wata rana kai kana ba ɗanka tarbiya in ya huta waje ne yake samu abubuwa baka san ba wa zai gamu da shi da yawa mun gani sun tai daga vacans daga vacans sun tai sun lalace su ta lalace karatu ya tsaya komi ya tsaya daga hutu kenan me aka yi babu riba kenan kenan me yau ka bar ɗanka a gida ma ku yi hutun tare da shi to madalla abin da zai bani damar in ci gaba tare mhm. da malam tambari tun da shine ke da ilimin harkokin zamantakewa ta jama'a ko yana iya sanin eh, mi za ku iya gaya muna bisa kan me yasa abubuwan suka taɓarɓare saboda mu shirya ma malam seno fage dan shi zai ci gaba da wannan eh, abin ga fadak tamu to mira biskan wannan zancen da kin kai biskan shi ofet in ka diba il faut d'abord analyser la société Et savoir que dans chaque société, il y a ce qu'on appelle la dynamique sociale qui va permettre le changement de la société avec une évolution dans certains domaines, dans certains contextes. Et cela fait en sorte que plus kasa sa société tana plus akwai wasu abubuwa da suke hitowa on appelle ça les faits sociaux wa'anda ke iya zauwa tare da ita su kuma in cikin ci ne suke dole in ce a certain niveau na gaba il faut que su a same su mais wannan yana cikin ce qu'on appelle la partie du contrôle social parce que cikin société akwai intégration sociale ta a akwai contrôle social et que le contrôle social shi ne ya kumshi wannan harka kulawa da civism da education da menene da shi ake impose a travers l'imposition des droits des, des, lois et ainsi de suite ainsi pour que wasu abubuwa cikin control na a ce in ka yi su cikin wanga gari ana kwandanan ka parce ya ina luwa da an ka hiddo eh, bisa kan shi dan saboda bai kamata a yi shi ba to sai zaminta yanzu cikin zaman nan da muke wanga sai wannan control in est kubce à un certain niveau na biskan côté familial Dans saboda yau ba uwaye duka ne ba ke da control bisa kan ɗiyansu société, parce que elle suit le, euh, comment on appelle ça le changement du monde elle suit la marche du monde au fait donc votre société suit la marche du monde parce qu'on est dans ce qu'on appelle la mondialisation et que abun da dan Nijar ya gani yau daga cikin ɗaki bisa rezo sosiyo surtout yau avec la de rezo sosiyo sai ku ga ina gane yaro na iya ɗaukar wannan abun kuma ya tai can ƙauyen ma ya tai koya ma yaran ƙauyen to ku a ganin ku ko akwai sun ƙananan hanyoyi da ya kamata a bi don a kauce ma wannan ko a dan rarrage shi kaucewa guda ne ko a rarrage shi a ba da ƙarfi bisa kan control nan mhm. bisa kan control na kulawa bisa kan yara mhm. in kana kulawa za a samu ragi a cikin shi tunda dai ba a yi cewa za a hana duka hana duka wannan gaskiya duk wanda ya ce zai iya hana duka ya yi magana ne <laughs> tunda yaro shi ma dubara gare shi kenan za ka da iya samun ragi da dama bisa kan shi kuma ragin menene zan ce ya kamata uwayen da yaran ma a zamna a yi hira mhm. ka kwatanta ma ɗanka wannan bai kamata ba ya bar shi dan saboda bai yi ba daidai ko ko abin kamar da il faut être une bonne uh, il faut donner une bonne image mhm. ga danka wanda shi ma zaka zama ma le model gare shi et être de bonne compagnie aussi et être de bonne compagnie la fréquentation de tes amis mm. kenan duka wannan vraiment ça fait partie dai ai a sa tsanani bisa kan le contrôle le contrôle de manière globale le contrôle social au niveau de l'État et comme au niveau de la famille que que la société ait wannan duka pratique Thomas eh, en vacances il y a également le manque de suivi en fait les parents qui accueillent l'enfant de l'autre a tendance à, à laisser un certain nombre de libertés à l'enfant pour ne pas les frustrer souvent les parents, souvent, ils sortent, ils partent. Mais est-ce que personnellement, au niveau du jeune, au niveau de l'enfant, y a-t-il des choses que lui-même, des précautions qu'il doit prendre Toi, tu as eu beaucoup d'expérience. Et quand on vit chez quelqu'un, il y a des choses, euh, peut-être que tu l'as fait cette année, mais l'année prochaine, quand tu étais revenu, tu ne l'as pas fait parce que tu sais que c'était pas bien. Donc, tu nous cites juste quelques-uns des trucs à éviter quand on vit chez quelqu'un et ça va éviter de le frustrer jusqu'à il aura peur de te parler aussi. oui. On dit souvent, quand on vient les un de faire comme les autres font. Souvent, il faut l'éviter. Tout dépend de la manière dont les enfants sont éduqués. Par exemple, moi, je pars chez mes oncles qui sont à Ottawa. Il y a leurs enfants. On me demande de faire comme les enfants font. Peut-être leur éducation ne sont pas assez suffisantes, ne sont pas à apprécier. On me demande de faire comme eux, ce qui veut dire que je deviens comme eux. Non, je dois être un modèle. Je dois montrer que moi aussi, on m'a éduqué à la maison. Donc, c'est cette éducation que je dois incarner. Et partager avec eux Et partager avec eux, peut-être chercher à les transformer. Peut-être c'est pour cela même on m'appelle à venir en vacances. Souvent, je suis plus âgé que eux. Donc, je dois être leur modèle. Je deviens ainsi transformateur au lieu de les détruire. Voilà, donc là, on est plus allé à être un modèle, que à éviter certaines choses. Euh, merci beaucoup. Avant de clôturer, allons d'abord, euh, nous allons d'abord accueillir nos 50% pour sa chronique du jour. Chers amis de la FADA, bonsoir. C'est l'heure de votre chronique et aujourd'hui, je voudrais vous parler euh, d'un sujet qui prend de plus en plus d'importance dans notre société moderne. Il s'agit du voyage responsable. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes actuellement dans la période des grandes vacances et qui dit vacances dit voyage. Ceci étant dit, il est essentiel de prendre conscience de notre impact sur l'environnement, les communautés locales et la culture lors de nos aventures à le monde. Le voyage responsable est bien plus qu'une simple tendance éphémère. Il s'agit d'un état d'esprit, d'une façon de découvrir le monde tout en minimisant notre empreinte écologique et en favorisant des expériences authentiques et durables. L'une des premières étapes du voyage responsable est de choisir des destinations qui mettent en valeur la préservation de l'environnement. Optez pour des endroits où la biodiversité est respectée et où les initiatives de conservation sont encouragées. Par exemple, de nombreux pays ont établi des parcs nationaux et des réserves naturelles qui permettent aux visiteurs d'admirer la beauté de la nature tout en contribuant à sa préservation. C'est ici que nous allons prendre congé de vous, chers amis. On se retrouve demain dimanche pour la suite. Merci Seno Hakane, Aujourd'hui nous étions en compagnie de monsieur Idriss Tambari, il est sociologue de formation. Nous avons aussi eu Abdul Rachid Soumaïla, il est euh, un jeune élève en vacances et prêt à partir en vacances et juste à côté. Nous avons eu Mariama Ouattara, elle est mère de famille et réalisatrice de profession. tare da su mun tattauna ne akan yadda matasa suke amfani da wannan hutun nasu na lokaci kuma ta yaya wannan hutun makaranta yake da mahimmanci a rayuwarsu kuma wace irin karuwa suke iya samu a ciki daga nan za mu ce muku mu huta lafiya sai kuma gobe idan allah mai kwame kuma ya kai mu inda malam seno zai kawo muku da wani sabon shigo bisa kan eh, wannan labarin da muka yi a yau amma daga nan za mu ce muku mu huta lafiya sai dai gobe ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio kalangu bye bye